La suite est logique quand la démarche est limpide. Phoenix, faut comprendre, renaît toujours de ce cendres. Youpi, youpi, yo, what's up, can youpi, yeah. Vous, vous rappelez certainement de Phoenix Sino. Hier, sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Rim, nous avions parlé de l'histoire du hip-hop mais du Niger, puisque FENO n'est plus à présenter. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler des chansons de Phoenix FENO puisque Kaidan Gaskia 1 et Kaidan Gaskia 2 ne sont plus d'actualité. Le phénix renaît de ses cendres. Et sur cette émission, nous allons justement parler de son contenu. Bere Feno, Dondi la machine te souhaite la bienvenue. Merci, merci, merci. L'équipe technique et opérationnel sur cette émission. On va aller avec la toute première chanson que nous avons envie de vous... vous. dans le rap. Quand l'unique à nouveau frappe, Niga. égal aux mêmes valeurs, voilà, j'annonce les couleurs. Yeah! Hey! Toi-même, tu sais, c'est l'homme que l'on nomme phénoménal. Yeah! Le, phénomène de ses cendres. Uh la suite est logique quand hein, la démarche est limpide. Phoenix, faut le comprendre, René toujours de ses cendres. Youpi, youpi, yo, what's up, can youpi, yeah. Youpi, youpi, yo, youpi, yo, youpi, yeah. La suite, elle est logique quand hein, la démarche est limpide. Youpi, youpi, yo, si tu veux, c'est c'est un truc qui est d'actualité. Ok. Et aussi, nous, quand on était à nos débuts, il y avait un groupe américain qui chantait ça. Ok. Bérou. La deuxième chanson qu'on va aller kiffer, c'est quoi déjà euh... Parce qu'on est là pour ça. Ça, c'est de l'exclusivité, hein C'est de l'exclusivité, mana. La Marine La Marine Dunia. Ouais, la Marine Dunia. Non, c'est pas ça. C'est la Marine Non. C'est, j'ai trouvé que ma société a changé. Ok. Euh, j'ai l'impression de me réveiller dans une société qui a perdu tout repère. Tout à fait qui est malade et souffre encore d'une fièvre sévère. Ok. Où le monde est et pompé, l'excellence est étouffée. Ouais, ouais. Pour des considérations utopistes. L'idéal social sombre s'engouffre davantage. La plaie est payante. Ah, ah. Hein, l'hémorragie, il faut. la changer. il faut la changer. <laughs> Quel est le message que tu veux surtout faire ressortir à travers cette chanson Le message, c'est vraiment que les gens euh, se ressaisissent. Ok et à aller vers la positivité. Quand tu parles de ton frère, parle en positif. Quand tu vois ton frère dans des difficultés, réfléchis positif pour lui. Quand tu peux aider, aide et on avance. Ça, c'est des chansons à viennent à travers la page officielle de l'artiste Ferobi Ferobi. La chanson, je kiffe. Ça me donne la chair de poule parce que tu dis la vérité. La dernière chanson tra kokargo irse kan ne kan de parce que jara o ra bande ni ouais c'est de l'exclusivité c'est toi que j'aime ça c'est l'homme parle l'homme fait parler le cœur le cœur yeah. Eh, ta connaissance m'a permis de connaître la vraie définition du mot amour quand tu es l'homme moi je reçois une vie à moi eh. c'est toi que j'aime je sais pourquoi Aha. Ah. je veux pas dire autre car t'es mon choix ah c'est toi que j'aime. Je sais pourquoi, je veux pas votre votre car t'es mon choix. Toutes les âmes sensibles, FENOBI quand même, a fait plaisir à vous. Hein. Nous sommes pratiquement donc à la fin de cette rubrique consacrée à l'artiste FENOBI, Fons-en. L'instinct est solennel. Tout ce dont tu as besoin, tous les gars qui sont là, tout ce qui doivent soutenir, comment procéder pour t'accompagner dans cette carrière. Ouais, si tu veux accompagner, si tu veux accompagner Feno et aussi écouter les exclusivités de la bonne vibes musicale qu'il est en train de sortir, il faut, euh, si c'est YouTube, tu vas sur Feno TV. Si tu vas sur Facebook aussi, tu vas voir euh, officiellement Feno ou bien sur euh, Phoenix Feno ou bien sur Phénoménal. Donc euh, c'est un peu euh, toutes ces pages, tu vas me retrouver et tu pourras écouter les exclusivités musicales. Si tu veux donner conseil, si tu veux aussi euh, proposer des choses, n'hésite pas, phénoménal.